euh, et euh, di côtoyer yenn structures internationales yi da ngay gis des sénégalais yoo xam dañ leen di yóbbu bitim réew ñu war a liggéey sur des projets sur le long terme mais en si peu de temps ce jeune sénégalais moo mën a réaliser projet bi man dama gëm ni en fait mag ñi euh, lu ñu gën a soxla si ñoom mooy seen conseil seen xalaat mais doole ndaw moo ko yor donc doole yooyu noonu nga xamante ne dañoo am esprit d'innovation esprit de créativité ñu teg leen au centre ñu mën a doxal réew mi comme comme ay jamono yu si yu si euh, suñu ay papa ñom ñoo fi euh dem nañu ba wane fu ñu yem je pense que suñu bëggé réew mi am marche bu gëna rapide am yegg ci émergence bu ñuy bu ñuy wootee kon xalé yi ñom ñoo ci wara am place bu important moy vraiment le un emploi décent parce que euh, loolu moom mooy sax moom mooy moom mooy conséquence su euh, immigration clandestine bi té dañoo gëm ni bu ñu defee investissement yi war a nos domaines tels que l'agriculture l'élevage et la pêche et en même temps en fait euh, euh, réformer l'éducation et accentuer que sur les domaines tels que même les pré les domaines précités et ensuite en fait sur la science et la technologie nous industrialiser l'agriculture parce que les plus, nous bay au lieu avant euh, de vraiment de de de l'exportation